la coalition ma Président a su bouter hors du Sénégal le candidat de Macky il ne faut jamais l'oublier si cela a pu se faire c'est grâce à la bravoure, au sacrifice suprême de jeunes Sénégalais. Nous ne pourrons jamais les oublier. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, nous vous adressons toutes nos félicitations à l'occasion de ces 100 jours. Vous, votre Premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble de vos ministres, dont le brillant ministre de l'Éducation nationale ici présent, ainsi que vos directeurs généraux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Vous avez osé en 100 jours, on l'a dit ici, prendre des mesures que les Sénégalais attendaient depuis des années. Dans un, contexte de hausse des prix généralisée, l'inflation est généralisée. Vous avez diminué les prix L'excellent économiste Mamadou Lamine Diallo l'a dit tout à l'heure. Ça a été un véritable tour de force que de pouvoir réduire les produits de première nécessité. Vous avez tout de suite mis le holà à la bamboula foncière qui sévit dans le pays depuis quelque temps, en mettant un coup de frein à Mourkat et en regardant de très près tout ce qui se passe sur le littoral, vous avez effectivement révisé les licences de pêche. Nous avons, il faut se le rappeler, dans notre pays, plus d'un million de personnes qui vivent des produits de la pêche. Lorsque l'on parle de la pêche, c'est entre 1 million et 4 millions de Sénégalais qui en vivent au quotidien. Et nous savons que beaucoup de nos accords doivent être révisés. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous et vos gouvernements, nous vous encourageons à l'occasion de ces 100 jours. Nous, vous, nous sommes derrière vous. Nous sommes à vos côtés pour que vous osiez davantage accomplir ce changement que tous les Sénégalais attendent. Vous entendrez beaucoup d'oiseaux de mauvais augure. C'est leur lot du moment parce qu'ils ont été défaits. Ils ont été défaits. Un candidat du pouvoir déféder le premier tour, on ne l'a jamais vu depuis très longtemps au Sénégal. C'est un véritable tour de force que vous avez réalisé, Monsieur le Président, en étant élu dès le premier tour à 54%. Cela veut dire que vous avez les Sénégalais derrière vous, les Sénégalais qui vous ont élu il y a juste trois mois. Quoi que vous entendrez dire dans les radios, Wolof Nene, Amnofo la jeunesse sénégalaise sans cette jeunesse sénégalaise il n'y aurait pas eu de changement il faut le dire et le répéter vous êtes une jeunesse courageuse une jeunesse qui a versé de son sang des filles des jeunes garçons mais également des adultes vos pères, de, vos pères, vos mères que nous sommes. Le Sénégalais a fait bloc pour ce changement-là. C'est pourquoi il faudra que vous restiez ici avec nous. Nous ne voulons plus de ces pirogues de la mort qui aujourd'hui sèment la désolation et la souffrance dans nos familles. Si vous vous êtes battu pour faire partie du régime, mais vous devez rester ici avec nous pour construire le pays. C'est le message, je crois, que M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vous a adressé. C'est le message que vous adresse son Premier ministre Ousmane Sonko en étant sur le terrain. Ces ministres, tous les jours, ils sèment l'espoir que vous devez récolter un jour ici avec nous. Mais pour que cet espoir se réalise, il va falloir que nous, les Sénégalais également, nous mettions la main à la patte Et c'est l'occasion aussi de lancer un

ñii wàcc marché Castor ñii wàcc ca tefes ga bu ko defee bu 11h jotee ñu jël si dépense yóbbu ko ci kër yi parce que nag jigéenu Sénégal loolu nu xam mooy jàppale seen borom kër jàppale seen njaboot kon bu fekkee ne da ngeen ànd ak seeni doom ba ñu réaliser le changement tey la ñu war a gën a yokk yaakaar nii ma ko waxee pour la jeunesse Ndagasalika pour la les femmes sénégalaises dans la solidarité nous bayyi wax ju sew sunu biir doon benn ci biir Nous may jiital liggéey ndax liggéey rek am Nous jiital liggéey bayyi wax ju sew ji activité politicienne yi nga dina am ñoo xam ne bëgg aussi avec nos artisans nos vaillants artisans tout le monde connaît le label sénégalais, ici et dans la diaspora. J'en profite pour saluer notre vaillante diaspora. Boudouloun Yénit Lambayniao. Parce que le changement du Les artisans dont le talent est discuté partout dans le monde. Défenane aussi, président Bassirou Diomaye Faye, 100 jours il a indiqué la voie. Fi nga xamné fofu la bëgg le label sénégalais mais également les travailleurs du secteur informel madame la présidente de la conférence des leaders wax pour que nous it ñu mën a ànd seen liggéey mais aussi ñu ci waxtaan ñuy waxtaan parce que changement nag ala kulli alin faut que am lu ci xaw a metti loolu dañ koy war a nangu waaye di ko waxtaane ndax aussi discipline dafa am solo ci réew nañu ci ànd waxtaan ci toog nous avons ndax jaar un consensus national d'appeler nos leaders qui ont été vaillamment élus par les Sénégalais encore une fois à 54 il faudra il faudra que notre coalition soit également porteuse de ce message là partout Madame ñu à la base waxtaan ak tous les acteurs

kenn du bàyyi ay politiciens yoo xam ne dañ leen dóor a dóor a dóor dañu war a miku ñuy wax di wax rek man day en tant que politique xaw ba lool fu nu waxee loo xam ne lii méngoowul ak chiffre méngoowul ak réalité danoo war a dem ci télé bi ak ci plateau yi weddi ko ba mu set wecc wax sénégalais yi ne lii may def kooku suñu rôle la en tant que coalition pour que aussi vraiment la contre-propagande ne prospère pas parce que nag dañu nek ci rew mo soxla yi voilà askan wi na changement bu gaaw kon bu sur des souffrances que eux-mêmes aussi ont contribué à créer ñu rek kon du baax contribution indi surtout message en tant que membre de la coalition ancienne superviseur général de l'élection nous nga le que ci président Bassirou Diomaye Faye nous nañu kontante ak fierté surtout pour bu fekkee à l'international de recevoir un témoignages élogieux qui ci sur le président de la république Nous disons, ah oui mais il looks young but he's so good that's what we hearing. » Nous la wax Nous avons vraiment une une surprise parce que on on une jeunesse parce que on n'a pas l'habitude aussi en Afrique nous sommes des sociétés de gérontocrates Madame voilà barbe bi mais parfois ce c'est pas le cas on a eu et on a un jeune président dont nous pouvons être très fiers du point de vue de sa posture du point de vue de l'incarnation de sa fonction Mouhamiti ànd son premier ministre et nous saluons ici cette amitié qu'il nous faudra nous aussi protéger elle est très importante ñu fexe ba bant bale du jaar seen diggante ndax nous avons une opposition boo xam son seul programme Moi, nañu féewloo loolu duñu ko permettre ñu nous ñu fexe ba symbiose am li nga xam ne noonu la ñu ànde woon te ñun ñi ñëpp kat fekkeewu ko ci ñu continuer ko bu ko programme Sénégal impact sur les populations Sénégal madame, madame, dem sommes ñu nit suñu coalition Inch'Allah, nous ñuy ñaan mu And aussi question bi nous na ñu and législative de législative gagner gagner 80 des sièges et nous donner les moyens de gouverner le Sénégal dans le bon Aminata Touré. Merci beaucoup pour ces mots. Alors, on